le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio Kalamgou, le forum du studio 18h passé de 15 minutes en Niamey, madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou, qui réunit des journalistes pour analyser les principaux sujets de l'actualité. Ce qui a retenu notre attention cette semaine, ce sont d'abord les attaques terroristes à Agando, région de Tawa, et à Inates, région de Etilaberi. En seconde position, nous parlerons de la sécurité alimentaire alarmante au Niger. L'actualité cette semaine, c'est aussi le dernier rapport du PNUD qui classe le Niger dernier en termes d'indice de développement humain. Pour analyser ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Boukar de la radio alternative. Hassan Boukara, bonsoir. Bonsoir. Maimouna Diado, journaliste à la radio et télévision Tambara. Maimouna Diado, bonsoir. Bonsoir. El Haj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. El Haj Mohamedou Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, Bonsoir. Bonsoir, Mokhtar. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Bienvenue à tous dans le forum de la presse de ce vendredi que nous ouvrons par des attaques terroristes au Niger. Trois militaires tués et quatre blessés du côté des forces de sécurité et 14 terroristes tués et plusieurs blessés dans le camp des assaillants. C'est le bilan officiel fourni par le ministère nigérien de la Défense suite à l'attaque lundi 9 décembre du poste militaire d'Agando dans la région d'Ottawa. 24 heures après, ce sont 11 soldats nigériens tués, 12 blessés et plusieurs autres portés disparus, un nombre important de terroristes neutralisés. C'est le bilan officiel de l'attaque terroriste menée le mardi 10 décembre 2019 contre le camp militaire d'Inates au nord de la région de Tilaberi, près de la frontière du Mali. Nous apprend un communiqué du ministère de la Défense nationale lu le mercredi soir à la télévision nationale et repris par l'agence nigérienne de presse A.N.P. Hassan Boukar, avez-vous d'autres informations sur ces attaques terroristes enregistrées par le Niger Merci et bonsoir Mokhtar. <coughs> Ben, je pense que le bilan, c'est bien celui que vous avez fait le bilan officiel annoncé par le ministère de, la Défense. On pourrait rajouter pour le cas de Inates qu'on parle de plusieurs euh, disparus. Donc euh, finalement, on ne sait pas quel est leur sort. Donc, du coup, les inquiétudes euh, continuent à monter. Voilà. Donc, quand, on dit 71 morts, on pense que c'est au moins 71 morts. Euh, donc, euh, ça fait une situation extrêmement difficile. C'est un bilan très, très lourd. Comme vous le dites, là, il y a à peine 24 heures entre l'attaque intervenue dans la région d'Etawa et celle qui est intervenue à, à Inates. voilà, le, le bilan, c'est celui qui a été fait par le ministère. Ça, c'est le bilan officiel. Maintenant, il y a toutes ces informations qui circulent sur les réseaux sociaux, parfois difficiles à confirmer, etc., mais qui montrent que les Alliés se sont bien préparés euh, pour venir faire l'attaque des Inates. Euh, malheureusement, ce n'est pas pour la première fois, même si cette fois-ci le bilan est le plus lourd qu'on a réussi ces dernières années. Ce n'est pas pour la première fois. Ça montre que cette zone est vraiment une cible. Il y a peut-être un positionnement stratégique qui veut que les, rebelles cherchent vraiment à, à occuper cette zone voilà, mais aujourd'hui, euh, c'est toutes ces dizaines de familles nigériennes euh, endeuillées, euh, tout un pays aujourd'hui qui s'interroge. On s'interroge aujourd'hui sur l'efficacité de notre stratégie, si on en a une. On se demande aujourd'hui, est-ce que c'est la stratégie qui fait défaut Certains médias se sont interrogés sur euh, le rapport de force entre les groupes terroristes et les armées nationales. Mais l'un dans l'autre, aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement inquiétante euh, qui montre que nous sommes aussi fragiles que le Mali et le Burkina. On a eu l'impression à un moment qu'on résiste beaucoup plus que ces pays, mais ça montre que lorsque nous sommes ciblés, on peut payer aussi les mêmes tribus que le Mali et le Burkina qui ont connu ces derniers temps euh, beaucoup de, drames face à ces groupes euh, terroristes. Maintenant, la question c'est quelle va être la réaction du Niger Je pense que après un tel drame, il doit avoir une réaction à la hauteur de ce qu'on a vécu aujourd'hui, que ce soit du point de vue de la stratégie militaire, du point de vue de l'engagement des chefs politiques, en tout cas de l'engagement du pays, pour que nos frères, nos fils ne continuent pas à tomber comme ça, euh, par dizaines, euh, face à des hommes sans foi, sans loi. Hassan Boukhar, est-ce que ce sont les renseignements qui ont manqué, qui ont fait défaut Quand j'analyse, quand je recoupe tout ce qui a été dit sur, euh, sur ce drame de Inates, je me dis que ceux qui sont arrivés avaient au moins ce renseignement c'est-à-dire que les groupes terroristes qui sont arrivés. La preuve, euh, selon toutes les informations, ils ont choisi trois points névralgiques, c'est-à-dire les dépôts d'armes au niveau de ce camp de Inates. Ils ont choisi la communication, certains disent euh, y compris euh, là où on stocke du carburant et autres pour cette armée, ça veut dire qu'ils ont vraiment, ils sont renseignés sur les parties sur lesquelles il faut porter le coup et porter le coup justement à ce camp-là. Donc ils sont apparemment bien informés en venant. Euh, tout laisse croire que du côté du Niger, on n'était pas aussi bien renseigné. je pense que en ce qui concerne l'attaque de Tawa, euh, semble que l'armée était déjà en alerte. Donc apparemment, il y avait des signes qui montraient qu'il y avait peut-être des choses et ils se sont mieux préparés. Euh, c'est pour ça peut-être que le bilan est moins lourd à Tawa. Mais atteste ça montre que finalement, ils ont surpris euh, ce camp-là. C'est pour ça que le bilan aujourd'hui est totalement dramatique. Donc, oui, il y a sûrement une question de renseignement. Je pense que ces groupes terroristes ne viennent pas au hasard et se préparent. La preuve, on dit toujours que eux aussi, euh, on a tué des gens chez eux, mais c'est des morts invisibles. Euh, on ne voit même pas parfois les corps de ces personnes qui sont tuées. Euh, on voit malheureusement tous ces drapeaux qui drapent nos frères, euh, ces jeunes soldats qui tombent ici. Mais de leur côté, on ne les voit pas. À Tilabiri, comme on dit souvent, euh, il y a une sorte d'information qui ressemble beaucoup à la communication qui dit les ennemis aussi ont arrêté beaucoup de morts, ils ont eu beaucoup. Par rapport à Inates, certains parlent d'une cinquantaine, cinquante-sept terroristes neutralisés. Mais on le dit souvent après les attaques, on avance souvent des chiffres. Alors je rappelle que le communiqué du ministère de la, de la Défense hier n'a pas, fait cas de cela. Ils ont simplement parlé d'un bilan lourd du côté des enseignants aussi, mais n'ont pas donné de chiffres. Et donc ces chiffres, il faut peut-être, euh, c'est parfois juste des informations officieuses qui sont arrivées. C'est vrai que euh, malheureusement aujourd'hui, hein, c'est euh, en temps de guerre, je veux dire, tout le monde communique, chacun dit ce qui, ce qui l'arrange. C'est vrai que les États ont perdu aussi hein, le monopole de la communication en ces temps de réseaux sociaux. Chacun diffuse les informations qui sont à sa position en tout cas, euh, tout ce qu'on a vécu, toutes les informations données montrent aujourd'hui qu'il faut avoir une réaction à la hauteur de ces drames. Sinon, je pense qu'on ne peut pas continuer à avoir tous ces soldats-là tomber dans des zones extrêmement euh, difficiles où ils, sont, ils sont exposés. Euh, normalement, on sait, euh, au vu des attaques passées, que c'est une zone qui est particulièrement ciblée par ces groupes. On sait aussi, par exemple, que euh, sur le territoire malien, euh, au, vu des attaques passées, notamment celle de novembre passé, certains postes ont été pratiquement abandonnée par l'armée malienne. Et du coup, ça expose euh, toutes les zones frontalières du Niger. Je pense qu'il y a déjà des choses qu'on sait sur cette zone. Et ces choses nous auraient, auraient pu euh, obliger l'armée, les pouvoirs à mieux se préparer. Alors, il y a toujours l'effet de surprise, ça peut arriver. Malheureusement, vous pouvez le payer cher. Mais je me dis, on sait désormais qu'il faut changer de stratégie par rapport à cette zone-là l'âge Mahmoud Suleiman, c'est la deuxième fois que le poste militaire avancé d'Inates est attaqué, Abba l'a rappelé, par les terroristes. Et contrairement à Agando, le bilan a été particulièrement lourd à Inates. Comment l'expliquer Mais Comment l'expliquer Dans l'intervention tout à l'heure de mon confrère Abba, euh, il parle d'attaque ciblée. Effectivement, c'est le cas. Euh, c'est de temps ciblé que les analystes se posent la question la précision avec laquelle euh, ces gens ont opéré et ciblé euh, la transmission, euh, le dépôt d'armes, là où on stocke le carburant, cela veut dire que on pourrait même dire qu'ils ont infiltré véritablement le camp. Franchement, on se pose des questions. Qu'est-ce qui explique cette recrudescence justement d'attaques sur le Niger J'ai suivi le confrère Abbas Effectivement, il faut donner du crédit à ce qu'il a dit. C'est peut-être une revanche euh, sur ce que notre armée avait fait donc, au Mali, donc, en donnant ce Euh, tout à fait. Euh, mais euh, la question qu'il faut se poser véritablement, il y a un péril à la demeure, vu le moyens utilisé, l'armement lourd utilisé par les assaillants, en tout cas, est de nature à inquiéter, c'est-à-dire que les moyens qu'ils ont, avec lesquels ils sont venus attaquer ce, ce camp, euh, franchement, prouve à suffisance que véritablement les terroristes ont eu suffisamment de temps pour se préparer aujourd'hui. Ils se sont renseignés. Euh, aujourd'hui, la question qui se pose <laughs> effectivement, est-ce que ces gens ne peuvent pas opposer une résistance euh, franchement, et, il faut. Donc, est-ce que c'est pas l'effet de surprise qui, qui, a tourné à leur avantage Non, l'effet de surprise, c'est qu'en fait, ici, ce qui les a aidés, c'est le fait de couper justement la communication pour qu'il n'y ait plus une alerte en temps réel. On vous a dit que le combat a duré au moins 6 euh, heures de temps avant que l'alerte euh, ne, ne, parvienne à la hiérarchie militaire. Mais comment expliquer ce cet de fait J'ai dit que de part d'infiltration, c'est-à-dire qu'en fait, en, le faisant, ils ont vraiment préparé leur, leur coup pour effectivement faire ce qu'ils ont pu euh, donc euh, en tout cas, vraiment créer cette euh, situation, franchement, aujourd'hui, qui met à moi euh, tout un peuple. Le monde entier, aujourd'hui, c'est le Niger qui est vraiment sous l'effet de, de, de, de, En tout cas, l'actualité, c'est le Niger. Quand vous allez en tout cas, ça, c'est ça. En fait, ils veulent, ils préparent effectivement une, une, action instantanée maintenant les comptes sur la communication, aujourd'hui, ils sont allés cacher ça dans, les trous. On est en train de spéculer effectivement sur, euh, sur euh, leur, forfait. Donc, euh, je pense que ici, la question qui se pose véritablement, qu'est-ce que véritablement l'autorité, l'autorité politique, les autorités militaires en tout cas, on parle tout à l'heure en tout cas des de, de stratégies. On voudrait bien véritablement qu'on sorte en tout cas vraiment de cette situation de, de panique parce qu'à partir d'hier, je pense que les gens ont compris que ce n'est plus de l'amusement, tout est possible. C'est-à-dire que ce qu'on vit dans les autres euh, régions, à l'extrême, les moyens dont disposent ces, gens, ils peuvent venir dans la capitale, effectivement, faire la même chose, surprendre, euh, surprendre les gens. Euh, donc, moi, je pense que et, véritablement, il est important de revoir de revoir justement euh, notre stratégie. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas la première fois. En, un camp, on ne dit qu'un camp, en principe, euh, un commandement, c'est au moins 200 euh, soldats. donc, compte tenu justement, parce qu'il faut le rappeler, cette zone, effectivement, les experts, les stratèges savent qu'elle est dangereuse parce que si là où justement, vers Tongo Tongo, qui avait des redoutables, en tout cas, terroristes, qui ont en tout cas euh, créé la désolation euh, avec non seulement euh, nos, soldats, mais aussi les soldats américains. Donc, c'est dire que cette zone, véritablement, on devrait vraiment renforcer, renforcer véritablement, en tout cas, ce, camp pour qu'on puisse effectivement éviter une telle situation. Mais je pense que cela interpelle et cette affaire est venue à un moment très critique où, avec le débat ambiant sur le rôle de la force Barkhane et euh, le comportement de G5 Sahel, justement, je pense que euh, c'est venu à point de me vraiment crever l'abcès, à savoir véritablement, il faut qu'on se pose la question quelle est l'utilité de la coopération militaire Ces bases qui sont là, pas seulement les Français, ces bases militaires qui sont là. Imaginez par exemple, aujourd'hui, les gens, je ne sais pas, euh, en tout cas, les informations qu'on attend avant et après, un avion euh, euh, aurait, par exemple. Euh, Survolé. Le alors, en fait, qui est dedans ça il est important justement qu'on informe les, Une grosse interrogation à l'âge Amadou rapidement. là, par exemple, de la communication, justement, euh, justement rappelé le temps que l'armée a eu avant de réagir, avant d'être informée. Là, certains médias disent, euh, là, les premières attaques ont commencé à 15 heures. Il a fallu presque 21 heures pour qu'il y ait la, la, réaction. Presque 6 heures de temps entre le début et le moment où. Alors, la question que je me pose, lorsque vous avez une zone aussi sensible que cette zone de Inates. Il a rappelé tout ce qu'il y a eu à Tongo Tongo, etc. Quel est le temps euh, de communication entre l'état-major et cette zone qui est particulièrement exposée Est-ce que on peut rester, par exemple, pendant 6 heures, du de temps, sans, avoir, sans avoir la moindre information d'un camp qui est particulièrement exposé sur une zone frontalière Donc, ça pose aussi des interrogations sur, mais finalement, du point de vue de la stratégie, quel est le mécanisme qu'on a aujourd'hui d'information entre ces zones qui sont particulièrement exposées, et puis l'état-major. Et puis bon, au XXIe siècle, franchement, euh, au-delà d'une communication radio, il y a mille d'autres moyens pour communiquer l'état-major. Pourquoi, lorsqu'on euh, s'en prend au dispositif radio, lorsqu'il est neutralisé, pourquoi il n'y a aucun, euh, moyen, De, communiquer Ça aussi, c'est des questions qu'il faut se poser aujourd'hui au XXIe siècle. Même Gadon, que faut-il comprendre au sujet de ces deux attaques Ce qu'il faut comprendre d'abord, il faut déplorer l'acte qui a été posé euh, sur ce camp militaire d'Inates. Et ce qu'il faut dire, c'est que mes prédécesseurs l'ont déjà dit. Je ne peux qu'ajouter, par exemple, ce que moi je pense de, ces deux attaques, c'est que l'armée, comme ils l'ont dit, il faut qu'on change de stratégie. Il faut qu'on revoie la position, par exemple, de ces camps, euh, de ces camps, et ensuite il faut renforcer ces militaires. On l'a toujours dit. Il faut renforcer en et euh, matériel et ensuite, il faut également les renforcer psychologiquement. Et en nombre aussi. Et en nombre. Donc, aujourd'hui, ce qui s'est passé sur le camp militaire d'Inates, ça nous a laissé bouche bée. Ça a laissé beaucoup de Nigériens qui ont soif de comprendre ce qui s'est réellement passé. Parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. Si un camp de telle envergure est attaqué de cette manière, mais comment aujourd'hui les autres camps vont se retrouver c'est-à-dire que c'est déjà un camp qui, les populations, les Nigériens croient à, ces militaires, croient à, ce camp. Parce que pour eux, le camp, c'est un grand camp qui est euh, en principe qui ne devrait pas manquer euh, de matériel suffisant, de communication, d'armement et, de ressources humaines. Aujourd'hui, il paraît qu'il y a un avion qui a survolé euh, avant et après l'attaque. Que cherche l'avion Qui est derrière ça Quel signal Parce que pour nous, c'est un signal également. C'est un signal fort, mais ça vient de qui C'est des questions qu'il faut se poser et des questions où on attend des réponses. Il est bien bon de dire à chaque fois quand il y a attaque que les renforts sont, euh, mettre du euh, temps avant de, venir. De venir. On l'a vu, on l'a. Chaque fois, c'est des zones en fait, la zone de Tilaberi, le renfort met trop de temps pour venir euh, sur, les lieux. Ensuite, de quel renfort d'abord on parle De quel renfort Parce que si aujourd'hui on ne peut pas avoir de renfort efficace qui peuvent, ne serait-ce qu'à la minute ou à la seconde près, venir euh, sur, ces lieux, il faut prendre, regarder l'état des lieux, l'état de, de nos routes aujourd'hui. On a quelle route on a quelle route aujourd'hui Si ces militaires qui viennent à renfort doivent suivre la route, je ne pense pas qu'ils viendront à temps. Et ensuite, ce qu'il faut également déplorer, c'est que, ou bien le lien que peut-être il faut faire, ça vient à un moment où il y a la rencontre. Il devrait avoir la rencontre euh, en France pour statuer véritablement sur la présence des mm. forces militaires françaises. Euh, sur le territoire du Sahel. Qu'on vient nous dire que peut-être que ça a un lien, on ne peut pas dire que ça n'a pas un lien, comme on peut <laughs> ne pas également nous avancer sur ça. Mais je pense que de toutes les mille manières, ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut qu'on aille de l'avant et qu'on ne se décourage pas, qu'on soutienne nos forces de défense et de sécurité, parce que je pense qu'ils ont vraiment lutté pour avoir, euh, pour euh, mettre du temps de 15h jusqu'à 19h en, en train de lutter contre l'ennemi. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. C'est vraiment regrettable ce que aujourd'hui nous sommes en train de vivre, mais il le faut. Et c'est comme ça, on dit à la guerre comme à la guerre. Et c'est pas encore fini. Et je pense que la stratégie de lutte sera revue par le ministère de la Défense pour que vraiment jamais plus ça. Pour que même si on vient vous prendre au dépourvu, vous puissiez au moins, avec le moyen que vous avez, au moins limiter les dégâts. Issa comment expliquer l'aggravation de la situation sécuritaire au Niger ces derniers jours Merci Mokhtar. Tout d'abord, je tiens à présenter mes condoléances à toute la nation nigérienne et prompt rétablissement aux blessés. Ben, c'est le contexte. Vous savez, de tout le temps, on a dit que la situation elle est en train de se détériorer. Mais on dirait que nos États ne prennent pas conscience parfois de ce qui est en train de se passer. Je ne veux pas revenir tout ce que a eu à dire mes prédécesseurs, mais c'est que on, l'a toujours dit. je réfère faire cette répétition. Dans ce genre de guerre, c'est le renseignement. Il faut prendre tout, tout ce qu'il a comme renseignement, utiliser tous les outils nécessaires. Mais ce qui est en train de se faire, apparemment, on dirait que on laisse tomber, il y a trop de filtrage dans le renseignement. Il y a des éléments qui sont là, qui sent que la situation s'aggrave pour le cas d'Unates. On a attaqué Indeliman le 1er novembre. Ils ont pris de l'armement, ils ont pris tout. Juste après l'attaque, l'armée marine a, en retirant ses positions de la frontière. Ils vont aller à Songo, ils vont rester là-bas. À Labzanga, ils vont venir passer la journée. On dirait qu'ils partent en pique-nique. Ils ont pris cet armement, ils ont un espace où ils peuvent circuler librement. Alors <laughs> moi, je me tourne quand les gens disent comment ils ont des centaines de motos de pick-up, on puisse se déplacer librement. Mais il n'y a personne de l'autre côté. C'est bien normal. C'est bien normal qu'ils se déplacent. Et d'ailleurs, même les renforts dont on parle. On a parlé tout à l'heure des renforts. Les renforts ne peuvent rien faire. Il faut seulement des renforts du point de vue aérien. Le renfort par voie terrestre n'est pas possible. Avant leur arrivée, ils auront tout massacré. Les 85 km qui séparent Ayarouat, vous avez vu l'état de la route Avec quel véhicule vous pouvez rallier rapidement pour aller les sauver non, il faut un renfort aérien seulement qui peut sauver ces gens-là. Et on pense que non, ils se sont couchés, ils se sont levés un bon matin pour dire bon, on va aller attaquer Inates ». Non. Ils ont un système de renseignement très puissant. Et ils savent, si vous voyez, les heures d'attaque entre le 1er juillet et ce 15, et ce 10 novembre décembre. C'est en, plein jour En plein jour, à des heures où ils savent, parce qu'il y a une petite faille dans la sécurité. Mhm. Le 1 novembre, le 1er juillet, ils ont attaqué à 14 heures. Et seul quelqu'un qui est renseigné savent à ces moments de prière la petite faille qu'il y a. non, même pas des siestes. C'est des heures de prière. Tout le monde sait qu'il y a une petite pause qui s'opère Tant que vous n'êtes pas tellement renseigné, même les militaires ne savent pas. C'est de la même manière qu'ils ont pris Sévaré, le QG du G5 Sahel. Ils savent qu'il y a la relève qui va venir. C'est juste ce temps de flottement. Vous pensez que les gens là, ce sont des, des badauds comme ça Ils réfléchissent. Quelqu'un qui veut tenir, qui a un projet. Ce n'est pas comme ça, ils veulent aller faire, ils ont leur projet. Hein. Depuis une année, on n'a jamais, on a cessé de le dire. Pour dire quand ils ont commencé depuis mai 2018 à assassiner les chefs traditionnels pour lancer un message très fort, les gens sont fui. On a abandonné, on n'a pas fait aucune enquête sérieuse, aucun euh, tapage n'a été fait par rapport à ça pour dire ceux qui sont restés, ils savent pourquoi ils sont restés. Ces gens-là, ils ne sont pas là pour faire cette bande-là. À l'allure où vont les choses, si on ne fait pas attention, ça risque de devenir un no man's land. D'ici août 2020, plus de 2 millions de Nigériens seront en insécurité alimentaire sévère, dont environ 7500 élèves affectés par la fermeture des écoles pour cause d'insécurité. C'est la situation présentée au Conseil des ministres du vendredi 6 décembre par le Premier ministre, rapporte le quotidien Le Sahel du 9 décembre. Dans sa communication, le Premier ministre Brigitte Raffini a annoncé un déficit agricole dans les régions de Difa et Tilaberi et le nord des régions du Maradi, Dosso, Zender et Tawa. La mauvaise production fourragère, les inondations et la situation sécuritaire dans certaines parties du Niger sont les principales causes de ces pics d'insécurité alimentaire jamais égalé depuis 2012, a précisé le Premier ministre Issa Que peut-on retenir au sujet de cette insécurité alimentaire au Niger et au Sahel? Pour le cas du Niger, c'est la combinaison de plusieurs facteurs. Si moi je peux dire peut-être trois la mauvaise campagne agro pastorale, l'insécurité, le choc climatique. Aujourd'hui, c'est depuis 2012, le Niger n'a pas eu plus de 2 millions de personnes. Si j'ai bonne mémoire, je crois bien que c'est depuis 2012. Mais même les autres années, on avait un million, mais quand même, euh, ça, ça devrait nous interpeller. Où en sommes-nous avec l'initiative troisième on a dit au Niger qu'il ne faudrait pas que je rime avec famine, un truc ça. Les gens ont fait de ça un slogan. Les gens n'ont pas travaillé. Parce qu'il y a les concepts qui sont là, on ne fait pas de bons plans d'action. Et dans la mise en œuvre, certains profiteurs viennent parce qu'ils sont des militants de parti, on les nomme, ils viennent, ils pensent que c'est à travers les ateliers qu'on peut changer les choses. Non, ce n'est pas seulement à travers des ateliers. Il faut que les gens mettent en valeur. Le Niger à tant d'agronomes. Je vous assure, l'initiative troisième moi, j'étais faisais partie de la délégation du Niger pour la première phase du PDS en 2012. Quand ça à, été, Paris. à Paris. Quand on a fait la table ronde, quand ils ont présenté l'initiative troisième, c'était extraordinaire. Tous les partenaires qui étaient présents se sont penchés sur ça. Ils se sont focalisés à financer. De retour, qu'est-ce qu'on assiste Des gars qui passent le temps à faire des discours des ateliers pensant que non, ateliers de validation de temps de consommation. Vous pensez que non, il faut le mettre parce que là où c'est basé là, c'est raté la base. L'initiative troisième on a dit c'est quoi La première fois, c'est quoi C'est la mobilisation et la maîtrise des eaux. Il faut de l'eau pour faire l'agriculture parce qu'on ne doit plus compter sur la pluie. Le Niger a des capacités d'eau souterraine, il faut les mobiliser. Ce qu'on peut capter, il faut faire des barrages. Qu'est-ce qui a été fait Aujourd'hui, on a 2 millions de Nigériens sans ajouter les 1 million et quelques là. Pour avoir les 1 million et quelques, vous savez que vous n'oubliez pas les 187 000 déplacés internes du Niger, les 218 000 réfugiés qui, que le Niger accueille. C'est ce chiffre-là qu'on englobe pour 1 million 900 000 et quelques pour avoir les 2 millions. Et on dit à l'horizon les calculs de l'État. C'est pour dire jusqu'à août, août 2020, parce qu'en août 2020, ils espèrent qu'avec août 2020, peut-être d'autres ont commencé à, récolter, à récolter les, les, fruits de la campagne je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir minutieusement. Nous sommes en train de faire des dérapages qui sont en train de nous rattraper. Et les gens, parfois, quand on dit Ah, le Niger, ils sont étonnés, ils pensent que c'est de la mauvaise foi. Moi, je pense que qu'est-ce qu'il faudrait faire Les stratégies sont là. Mais pourquoi on ne peut pas les mettre Bon sang, si Mokhtar peut le faire, Mokhtar peut apporter sa contribution à rectifier les pourquoi je ne veux pas le faire je veux t'inviter à le faire. Aujourd'hui, vous avez vu la secrétaire, la secrétaire générale des Nations Unies qui est en tournée au Niger. Elle est en train de constater d'elle-même aujourd'hui, c'est vrai, le plaidoyer va venir, mais il faut qu'on arrête chaque fois. Les gens sont en train de... la main. Oui, les gens sont en train de faire de leur mieux, mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons pour changer la donne Mme Gado, le Niger a-t-il aujourd'hui les moyens pour mettre plus de 2 millions de Nigériens à l'abri de la famine le, le, Niger peut avoir donc cette capacité de mettre c'est la population du Niger, les 2 millions à l'abri, de l'insécurité. C'est juste que il faut renouveler, il faut aller vers d'autres initiatives. Il y a plus euh, de discours que d'actions. Et je pense que c'est véritablement déplorable quand on a, par exemple, trois N, Issa l'a dit, il faut mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut on n'a pas besoin. Aujourd'hui, on a eu tellement d'espoir qui était fondé avec trois N, parce qu'on dit dans le slogan les Nigériens nourrissent les Nigériens. Mais en fin de compte, ce n'est pas les Nigériens qui nourrissent les Nigériens. Ce sont les partenaires qui Ce sont les partenaires qui nous nourrissent. Et, je pense que, comme l'a dit le président euh, la Turquie, Erdogan, qui était ici au Niger, il, regarde le fleuve Niger, il dit l'eau coule, les Nigériens regardent l'eau couler. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Parce que pour eux, avoir euh, le fleuve Niger et ne pas savoir l'exploiter aussi, c'est un danger. C'est un danger parce qu'il il n'y a pas que le poisson aujourd'hui que le fleuve peut donner. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'eau, avec euh, le fleuve qu'on a. Aujourd'hui, quand on parle de, c'est surtout l'insécurité qui affecte certaines régions. Quand on regarde Difa, aujourd'hui, là-bas, il, est impossible à ces euh, populations de Difa de faire ne serait-ce que la culture de contre-saison de faire... Euh, Avec euh, surtout la montée des eaux de la, la de la Ici, quand on regarde Tilabiri, L'insécurité ne peut pas permettre aujourd'hui à ces populations d'aller vers l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'on connaît Tilabiri quand même pour la production de riz. Mais à part la production de riz, il y a aussi la commercialisation du poisson. Mais aujourd'hui, rien. Et je pense que nous, nous ne voyons que trois zènes en mais nous ne, voyons, nous ne voyons pas le concret. Et si on veut arriver, si on veut mettre ces personnes en, sécurité, je pense qu'il faut revoir la stratégie de, communication et il faut revoir le terrain. Il faut financer, il faut enlever l'argent, il faut financer, il faut aller vers euh, d'autres horizons. voir ce que le Niger, parce que le Niger regorge aujourd'hui de beaucoup de, de potentialités, e. mais c'est l'exploitation qui reste en fait. Il n'y a pas d'initiative. Alaji Mahmoud Souleyman, y a-t-il déjà des solutions envisageables Moi, je pense que euh, ce débat nous ramène à cette idée annoncée par le président actuel euh, euh, qui dit que le Niger est mal géré, on a des ressources. franchement, j'ai comme l'impression que le problème c'est entier. Il y a justement un problème réel de gouvernance qui se pose et vous voyez, troisième, euh, euh, aujourd'hui, euh, on se rend compte, c'est magnifique. Hein, absolument, absolument. Je pense que avant même, en 2012, déjà même le programme du candidat, en tout cas, c'était très alléchant. Les gens pensaient que véritablement, s'il y a une chose, s'il y a une chose sur laquelle il fallait mettre l'accent, c'était cela. Ça pourrait permettre parce que l'agriculture et l'élevage c'est les mamelles de notre économie. Ça, tout le monde, euh, euh, on nous dit depuis l'école primaire. Euh, donc, mais la vérité, vous savez, aujourd'hui, c'est pourquoi, en fait, ce qui se passe souvent, quand je parle de mode de gouvernance, c'est qu'aujourd'hui, certains partenaires dans le domaine, par exemple, de l'agriculture et de l'élevage, préfèrent aider directement les producteurs. Cela, sans pour autant passer par. Mais euh, justement, sans intermédiaire. C'est-à-dire qu'on crée juste les conditions qu'ils vont effectivement. Parce que vous voyez souvent ce qui se passe. Euh, l'intermédiation fait que véritablement. Et aussi, il y a un phénomène aussi malheureux où des gens qui ne sont pas là pour produire se sont accaparés des de, de, biens pour vraiment les détourner. Donc, bref, euh, je pense que c'est que si ça n'a pas marché les troisièmes, à mon humble avis, c'est que véritablement c'est un problème de, de, de, gouvernance. Et c'est vrai que, en tout cas, certains experts disent qu'il y a certes des impacts certains, hein, parce que aussi dans les questions de développement, euh, le l'effet ne se produit pas dans deux les trois médias, ans dans l'immédiat. Il y a justement ça a inversé beaucoup de, de choses. Mais est-ce que l'espoir, il, y a des lieux d'espoir euh, aussi. L'espoir tient justement les attentes à, de voir en tout cas euh, les Nigériens nourrissent les Nigériens pendant les 10 ans, des de, deux mandats du président en tout cas, nous sommes, pas, nous sommes très loin, en tout cas, de, ce, de, ce, de, ce, cette ambition. Mais je pense que, euh, à mon humble avis, il faut justement revoir justement la gestion de ce, de ce programme. Hassan Boukar, que faire dans le court, moyen et long terme, rapidement Que faire Ça renvoie aussi aux causes je pense qu'on parle beaucoup de, de l'insécurité. c'est une cause conjoncturelle. Hein. les aléas climatiques. Euh, voilà, le choc climatique, là, c'est quelque chose euh, qu'on a constaté de, sur une période plus longue. Mais par exemple, l'insécurité, c'est à peu près 4-5 ans. Euh, et il y a des mesures prises, si je prends le cas de DIFA par exemple, par le gouvernement lui-même, euh, en interdisant certaines cultures euh, sous le prétexte que ça alimente le groupe Boko Haram. Et donc finalement, des gens qui ne savent faire que l'élevage, que l'agriculture, ont été privés de cette activité pendant des années ils sont finalement entre les mains des ONG. Euh, donc pendant des années, euh, ils, ne, font plus de l'activité tantôt parce que, parce que c'est interdit, tantôt à cause de l'insécurité. Il faut dire aussi qu'Issamadou euh, a rappelé le nombre de personnes déplacées, des réfugiés. Ces gens se sont d'abord adressés à des ménages, c'est-à-dire qu'ils déménagent auxquelles on a interdit des activités, qui reçoivent de nouvelles personnes, elles s'appauvrissent aussi au fil du temps. Mais il y a ce qui est structurel, qui renvoie un peu au choix des pouvoirs euh, publics. Hein. À travers les trois peut-être qu'une des choses intéressantes, c'est de dire on va privilégier les cultures euh, irriguées c'est un bon choix, mais dans la réalité aujourd'hui, ce n'est pas encore fait. Euh, l'agriculture et l'élevage, là, seulement en parlait, le financement n'a pas suivi. En 2020, dans le projet qui est en discussion actuellement au Parlement, vous avez seulement 80 milliards pour l'élevage et l'agriculture réunis en un seul ministère. Donc, il y a énormément de choses qui sont là. Alors, euh, la réponse que le gouvernement a choisie, c'est de dire on va demander aux partenaires de le financer. Euh, euh, la sous-secrétaire d'État des Nations Unies a annoncé euh, quelque chose comme 470 millions de dollars. Ça rappelle à peu près ce que les G5 Sahel recherché pour lancer les opérations et faire la guerre, puisque c'était à peu près 400 millions d'euros. Alors, quand ça va se venir, est-ce que les PTF seront plus générés pour sauver des gens qui sont menacés par la famine, au lieu d'être plus généreux pour aider les pays à lutter pour la sécurité Est-ce qu'ils vont le faire Et donc le fait qu'on attende tout ça de l'extérieur, ça pose des vrais problèmes pour moi, mais aussi le fait que, euh, d'un point de vue structurel, hein, euh, vous mettez 80 milliards pour le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, mais pour l'urgence, vous mettez 200, 300 milliards. Ça pose aussi des questions de choix. Est-ce qu'on ne peut pas investir 200, 300 milliards euh, pour, pour, la durée Mais pour l'urgence, vous avez énormément d'argent et parfois sur lequel l'État n'a aucun contrôle. Ça pose donc énormément de problèmes pour moi. Les famines euh, ne sont pas très naturelles au Sahel. Je pense qu'il y a beaucoup de responsabilités des acteurs. Parlons à présent du dernier rapport du programme des Nations Unies pour le développement PNUD au sujet de l'indice du développement humain IDH. Cette année encore, le Niger est classé en dernière position, soit 189e sur 189 pays classés. Mamouna Diado, est-ce une surprise pour les Nigériens Rapidement. Oh, ça ne peut pas être une surprise, hein, parce que quand on regarde euh, <laughs> la manière où les choses vont, ça veut dire que déjà, quand on tient compte du budget même, il y a un laisser-aller au niveau de l'éducation, au niveau des secteurs de base comme la santé, l'éducation, l'élevage, l'agriculture aujourd'hui. C'est des choses qui comptent effectivement dans le classement. Et je pense que ce n'est pas une surprise parce que quand on regarde le pays et quand on regarde également cette situation d'insécurité alimentaire qu'on vient de relever, quand on regarde la situation de l'école aujourd'hui, ça nous mène où Quand on regarde aujourd'hui l'insécurité, ça nous mène où C'est vrai, il y a des pays qui sont en insécurité, mais aujourd'hui qui ne sont pas classés quand même derniers de Mohamed Suleiman, un comité a été mis en place pour réfléchir sur les indicateurs ou les facteurs défavorables euh, qui tirent le Niger vers le bas en termes d'indice de développement humain et éventuellement proposer des pistes de solutions. Avez-vous des informations sur les travaux euh, de ce comité euh, Oui, le comité est dirigé par le Premier ministre avec le, le directeur général de de l'INES. En réalité, c'est justement pour euh, réfléchir au niveau national. Euh, comment travailler justement pour améliorer les, indicateurs. Mais il se trouve que les données sur la base desquelles travaille le PNUD, ce ne sont pas des données euh, de l'INES, des données nationales. De l'Institut national de la statistique. Ils leurs propres experts qui sont indépendants, qui vont venir euh, travailler donc selon euh, les critères. Mais pour l'essentiel, on sait que c'est le secteur euh, donc l'éducation, c'est la, santé, l'accès à l'eau. Et là, ce qui est aussi important de rappeler, en plus de l'État qui doit faire ce que, en tout cas son devoir, il y a aussi que l'IDH que puisse être inversé au Niger, l'Île de la responsabilité de tous le fait d'accompagner les, les, enfants euh, à, leur, étude, par exemple, la durée des enfants à, l'école, voyez, il y a des responsabilités même des citoyens individuellement pris. Donc, c'est vraiment assez complexe, euh, cette question d'IDH. Le Niger va rester longtemps dernier, tant effectivement, on, se, on considère que c'est notre affaire à tous justement pour qu'on puisse euh, travailler. Il y a le retard du Niger par rapport aux autres pays, liés justement à ce secteur d'abord de, de l'éducation. Vous le savez très bien, jusqu'à un certain temps, les, les enseignants dans ce pays, c'est des gens qui viennent du Togo, du Bénin, euh, vous voyez. Donc, il y a ce retard-là historique euh, un expert expliqué c'est comme si tu quittais de, de, 10 fois. Euh, tu vois, <laughs> vous voyez cette image-là, en fait, qui fait que nous sommes. Il y a un retard qui est entre nous. il avance. On, a, avance, ce qui fait que il est important justement euh, qu'on réfléchisse euh, euh, que, en tout cas, au niveau de, la gouvernance, nous venons de le dénoncer effectivement, il va falloir que ce qui est voté au niveau du budget, au moins ça, que ça puisse effectivement être utilisé au niveau du secteur. Mais l'impression qu'on a, la mauvaise gestion fait que véritablement on se pose des questions. Et aussi, nous venons de commencer par cela, le facteur sécuritaire. Vous voyez, euh, là aussi, euh, on a, on a, à redire. Donc, c'est dire que, euh, franchement, aussi, moi, mon, pour vraiment faire court, mon message, c'est que aussi, il ne faut pas seulement se complexer. On a vu les derniers de, de, la classe devenir des docteurs. Je veux dire que, c'est-à-dire que ne pas se dire que, parce que je vous assure, rien n'est hein, hein. mm. en termes de qualité de vie, en termes de qualité de vie, notre pays, il y a effectivement des perception de, de, la qualité de vie nous sommes vraiment pas, nous sommes loin d'être des derniers. <laughs> Hassan Boukhara, euh, qu'est-ce qui ne marche pas concrètement ben, je pense que oh, là, comme il l'a rappelé, on sait sur quoi repose euh, l'IDH. Hein. C'est l'éducation, c'est la santé, et l'autre, c'est le PIB. Euh, moi, je me réjouis déjà qu'on ne se mette pas à contester, hein, parce que là, quand vous êtes mal classé, vous avez deux, solutions souvent. Ou vous dites, euh, ce n'est pas juste parce qu'il y a des pays en guerre euh, qui nous dépassent, on a fait des échanges, on a fait des roues, ça n'a pas été pris en compte. Ou alors, vous essayez de comprendre. Et j'ai l'impression que maintenant, au moins, les gens essaient de, comprendre. Je, pense que les, ce sur quoi se base le calcul de l'IDH, fait que bon, normalement, les Nigériens ne doivent pas être euh, surpris hein, quand vous parlez de l'éducation. Dites aux Nigériens de noter l'éducation au Niger. Euh, classons-nous par rapport aux autres pays d'Afrique. Je ne crois pas qu'il y ait une bonne note à l'éducation. Donc, ce n'est pas surprenant que le Niger, dès lors que l'éducation est prise en compte, que le Niger euh, soit marqué. La santé, je pense que nous sommes toujours à 50% de taux de couverture sanitaire. Ça n'a pas beaucoup évolué. On Il y a quelques années, on a fait des efforts, notamment en matière de santé infantile, notamment la réduction de la mortalité infantile et autres. Il y a eu des efforts. Et 2012 ça 2013. Voilà, ça a eu un effet positif. Mais globalement, sur la santé, on sait aujourd'hui dans quel état se trouve le service de santé. Dès lors que vous prenez santé, éducation, vous avez du mal à vous retrouver. Un autre pays qui, qui peut beaucoup interroger son rang, c'est par exemple le Nigeria. Le Nigeria est la première économie d'Afrique. Vous savez quel est le rang mondial du Nigeria Le Nigeria est 158e vous avez presque, euh, comment je dis, 40, 47 points d'écart entre la Libye qui est en guerre depuis 2012 et le Nigeria. La Libye est 110e, le Nigeria est 158e. C'est-à-dire qu'il y, y, a plus d'écart entre la Libye et le Nigeria qu'il y a d'écart entre le Nigeria et le Nigeria ça renvoie à la qualité de la vie. Il y a un travail qui se fait à moyen et à long terme si on veut changer la situation. Donc, à mon avis, il faut qu'on travaille en particulier l'éducation et la santé. Faisons-le d'abord pas pour l'idéage pour nous-mêmes, puis l'IDH viendra, donc travaillons ces deux secteurs et puis ça va changer les années à venir. Issa Madougou, euh, comment rectifier le tir Je ne sais pas si je peux augmenter à part ce que la conclusion de Abba. <laughs> je ne sais pas. Puisque il faudrait améliorer au moins la santé et l'éducation pour nous-mêmes. Parce que c'est notre avenir, c'est notre développement. Aujourd'hui, aucune nation ne se, euh, sans éducation ou bien malade. Il faut que ceux qui sont là, les, les populations soient en bonne santé pour bien apprendre et pouvoir construire. Donc, il faudrait qu'il y ait des investissements. Aujourd'hui, on a fait en sorte qu'avec l'insécurité, depuis des années, les secteurs sociaux sont en train de prendre des coûts dans le budget. Et aussi, il y a ce, problème de, de, consommation de crédit que nous avons. On ne sait pas concrètement. Il faudrait que des efforts soient consentis. Et ce n'est pas seulement euh, au, gouvernement de le faire. Et l'erreur du gouvernement, c'est que le gouvernement aussi, c'est comme si, j'ai l'impression, le gouvernement ne veut pas prendre les propositions venues d'ailleurs. C'est seulement ses propres propositions. Alors, que cette affaire, c'est le Niger que ça regarde. Quoi de bon si quelqu'un vient vous dire, OK, voilà, pour améliorer le taux de couverture sanitaire, voilà ce qu'il faudrait faire. Vous les prenez, vous les testez, vous les analysez avant la mise en œuvre. Et c'est bon. Est-ce qu'un est problème de moyens ne se pose pas à ce niveau Mais quel problème de moyens il faut être réaliste dans les investissements. On est en train de faire des investissements hasardeux qui n'ont rien à voir, qui n'impactent rien notre quotidien. Par exemple, aujourd'hui, moi je pense que quand on vient de classer, je me demande la question que le ministre de la Santé va se poser. Quelqu'un qui a dit qu'il dépense à peu près 200 combien euh, pour la gratuité des gens là. 200 millions, je crois bien, si je veux. Ah, par euh, semaine. Par semaine. je me demande si, quand il a vu le rapport là, de l'IDS, s'il arrive à dormir. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Hassan Bouka de la radio alternative, Maimouna Diado, journaliste à la radio et télévision Tambara, El Mahamadou directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter, et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Merci aussi à tous tous les auditeurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h pour suivre le programme Jeune du studio Kalangou sur les radios partenaires. Il sera suivi du forum en Hausa et en Zarma. Merci, au revoir.